forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Il est 18h15 en Niamey, sur l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet Kalangou.org. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Gouvernance des entreprises de presse au Niger, état des lieux les difficultés et les solutions envisageables. Dans un contexte de dégradation des conditions de travail des journalistes marquées par le difficile paiement de salaire, plusieurs associations du secteur ont demandé la mise sur pied d'un fonds d'investissement pour les médias. L'objectif étant de faciliter les investissements publics et privés dans ce secteur d'activité. S'agissant des entreprises de presse, elles manquent d'assises financières pour devenir véritablement des entreprises. Outre la précarité, ce qui les caractérise, c'est aussi le défaut d'un management adéquat car elles sont gérées presque de façon informelle, ce qui du coup a des conséquences euh, certaines sur la qualité de l'information, du son et de l'image et inévitablement sur la liberté de la presse malgré l'ordonnance du 4 juin 2010 portant de la liberté de la presse interdisant l'emprisonnement des journalistes pour les délits de diffamation, d'injures et d'offense, mais aussi l'engagement pris par le président de la République par la signature de la déclaration de la table de la montagne pour justement replacer cette liberté au cœur des discussions et en être l'avocat auprès de ses pairs africains. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état de lieu sur la gouvernance des entreprises de presse au Niger, les difficultés et les solutions envisageables. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Maman Gaharou, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias l'éthique et la déontologie au Maman Gaharou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Ibrahim Mazo Diallo, secrétaire général de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI, promoteur du journal Air Info et de la radio Sahara. Ibrahim Mazo Diallo, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Ibrahim Mazojallo, aujourd'hui, quelle est la situation des entreprises de presse au Niger ou faut-il plutôt parler d'organes de presse tout simplement euh, merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez, Mokhtar. Effectivement, il vaut mieux parler d'organes de, presse parce que euh, parler d'entreprises de, presse en tant que telle, c'est-à-dire une entreprise de presse viable, managé par euh, une, équipe soucieuse de la transparence et surtout d'un bon fonctionnement, vraiment, je, vous dirais sans embâche qu'il euh, il faut peiner pour l'avoir au Niger. Ibrahim Mazo dans quelles conditions euh, travaillent les journalistes nigériens Il ne faut pas se leurrer, Mokhtar. Les journalistes nigériens travaillent dans un contexte, si vous voulez, de, manque de ressources financières et, surtout des plans d'affaires même de leur propre organe de presse. C'est-à-dire nous naviguons à vue euh, pour pouvoir faire perdurer euh, l'organe de presse. Il n'y a aucune politique euh, managériale qui est là, qui est, debout, qui est franchement assise pour pouvoir faire de, ce, de cet organe une entreprise de presse viable. Ibrahim Mazo 29 ans après la libéralisation du secteur de la communication et de l'information, Comment expliquer la persistance de la précarité dans le secteur des médias au Niger, mais aussi du manque de professionnalisme euh, D'abord, c'est au niveau de, la formation de base même. C'est-à-dire, à la veille de, la conférence nationale, juste après la conférence nationale, avec la libéralisation de ce secteur, beaucoup de gens euh, s'étaient précipités pour euh, créer des organes de presse. Et malheureusement, il faut, il faut le reconnaître, toutes ces personnes n'avaient pas cette qualité professionnelle d'être des journalistes euh, de base. À la base, il n'y avait aucun substrat euh, de formation euh, dans le métier. Donc, c'était des, des, des, gens, des syndicalistes qui s'étaient appropriés le secteur pour pouvoir lancer leurs organes de presse. Donc, au fil des années, ces, ces, ces, ces organes de presse ont rencontré d'énormes difficultés. Et pourquoi Parce que il faut d'abord mettre les journalistes qui travaillent dans cet organe dans des conditions décentes de travail. Il faut les protéger contre les appâts euh, qui ont commencé à surgir, notamment la corruption dans les organes de presse. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas un substrat clair et, qui définit cette entreprise, eh bien, il y avait du, tout, il y avait eu du laisser-aller et beaucoup de gens étaient retrouvés en train d'être plutôt des, si vous voulez, des, de commis à la solde de certains politiciens ou de lobbies et eh, qui, qui, juste après la conférence nationale. Faut-il repenser eh, la formation des journalistes Il faut, franchement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner eh, d'abord euh, à la profession toute son image, tout son honneur, toute sa dignité, en plaçant à la tête des organes de presse qui veulent être des entreprises de presse des hommes même s'ils n'ont pas, euh, ils pas cette qualité d'avoir passé sur le banc d'une école de journalisme, mais des hommes, et des femmes dont l'éthique et la déontologie et peut rester à plusieurs reprises. Ibrahim Diallo, vous vous exercez à l'intérieur du pays, pas dans la capitale. Euh, comment euh, gérer des entreprises à l'intérieur du pays Ça, je vous, je l'ai dit, actuellement au niveau de notre région d'Agadez, c'est pas facile de faire fonctionner un, organe de presse, euh, euh, euh, comme un journal ou bien comme une radio. Et c'est très très difficile. Je le dis clairement, nous nous butons à, à des difficultés énormes, mais comme c'est un exercice passionnant, celui de l'information, celui de la sensibilisation, nous, nous résistons. Nous résistons en créant des modèles économiques qui sont à même de nous euh, générer des, ressources financières. Je vous donne juste un exemple pour Aïr Info. Pour Aïr Info, c'est un format papier au début. Mais avec euh, l'effet des réseaux sociaux, c'est-à-dire nous avons songé très tôt, c'est-à-dire depuis 2011, à faire une migration vers, euh, le, digital. C'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, utiliser l'Internet pour faire passer le journal Aïr Info. Et ce qui fait que, je vous assure, aujourd'hui, Aïr Info, non pas le format papier, mais le format PDF, il est abonné à plusieurs centaines de personnes, de personnes pas du Niger seulement, mais hors du pays, c'est-à-dire de la, diaspora. Donc, ces gens s'abonnent à IRINFO dans sa version PDF. Et à la fin de l'année, ils payent un montant qui nous permet d'engranger des ressources. Outre que là, par exemple, pour, pour la radio Sahara FM, nous savons que la radio Sahara FM ne couvre pas toute la région d'Agadez. Qu'est-ce qu'on a fait On a créé à partir des de, de, réseaux sociaux, c'est-à-dire on a créé une application WhatsApp Radio Sahara FM. Et tout celui qui veut avoir les, contenus de la Radio Sahara FM, notamment les journaux, c'est-à-dire en Hausa, en français, en tamashek, eh bien, il s'abonne à cette page. Nous mettons son numéro sur, cette, euh, euh, sur ce groupe WhatsApp et dès que le journal finit, nous arrêterons le, le journal nous le balançons à tous les abonnés qui sont euh, sur le compte WhatsApp. Et ça, je vous assure, à la fin du mois, ça nous génère aussi des revenus. Donc, vous voyez, comme c'est très difficile de subsister à l'intérieur du pays, les annonces sont très rares, tous ces jours animés, nous avons opté euh, nous-mêmes à créer des modèles économiques propres à nous et qui nous permettent de résister. Maman Diaharou, comment analysez-vous cette situation des médias travailleurs en tant que représentant du tribunal des pères, donc instance d'autorégulation Oui, merci. Merci Mokhtar. Euh, euh, avant avant peut-être de, répondre à votre question, je tiens à, à, saluer le courage de, d'Ibrahim Manzo pour cette volonté de mutation et de, d'innover et qui, exigé par le temps et exigé par notre métier. Je pense que ça dénote ça résume euh, en partie la perspective que peut-être nous allons euh, aborder sur cette question. Et déjà, il a évoqué un certain nombre de difficultés inhérentes à, toutes les, euh, à tous les organes de presse nigériens même si à des proportions différentes au niveau de la, de la radio, de la télévision, il y a quelques exceptions, il y a quelques facilités qu'il faut nuancer à comparer avec la presse écrite et peut-être bientôt avec le numérique qui est en train de venir en, grande force. Mais il faut dire que l'environnement médiatique nigérien est aussi difficile du point de vue de, son volet économique du fait de, de la nature de l'environnement euh, du consommateur nigérien euh, vis-à-vis des médias, des productions médias. Quand vous regardez, euh, je ne reviens pas sur la création des entreprises d'abord qui ont eu lieu à un moment à un moment où euh, c'était le vent démocratique qui l'a exigé au sortir de la conférence nationale où il n'y avait que quelques trois ou quatre médias euh, pratiquement euh, sous l'emprise ou du moins des médias d'État plutôt des médias gouvernementaux. Et ces médias, avec à la pré-conférence nationale, a donné lieu à la, à au foisonnement des médias privés. Mais ça, c'était fait, c'était à un moment où il nous fallait avoir des médias, il nous fallait avoir d'autres sources d'informations qui avec euh, d'autres lignes éditoriales. Mais à partir d'un certain moment aussi, ce mouvement, plus ou moins, qui reflète euh, un mouvement de, quête de liberté d'expression, doit donner, doit céder à une volonté de créer des entreprises viables avec de, et qui créent des revenus et qui prend en charge des travailleurs. Je pense que c'est cette imitation qui n'a pas été conséquemment euh, travaillée. On a eu le, pluralisme, oui, mais euh, qu'est-ce que... Vous, faites allusion à l'accompagnement de l'État À l'accompagnement euh, et de l'État, on le voit ailleurs. On le voit ailleurs. Quand vous prenez, par exemple, en France, l'accompagnement de l'État se veut à, deux ou trois niveaux. Quand vous regardez l'appui de l'État que nous ici, nous, nous appelons fondé à, la presse. oui, en France, par exemple, il est à trois niveaux. Il y a l'appui direct qui consiste à accompagner les, médias avec euh, l'accompagnement financier direct des médias. Et il y a l'accompagnement indirect des médias, que ce soit euh, au plan national, au plan régional. C'est-à-dire, par exemple, vous venez d'évoquer le cas de, de, de Info qui est à région. Euh, j'admire son courage puisqu'il il a tenté même d'être euh, à, Zander, mais il, il, vous a évoqué les conditions d'existence qui exigent beaucoup de résilience pour pouvoir entretenir un média à l'intérieur du pays. Et donc, pour pallier à ce genre de préoccupations, en France, par exemple, il y a l'aide indirecte. L'aide indirecte, c'est de faciliter c'est des facilités, c'est pas comme nous on l'applique. C'est-à-dire que on, vous paye des matériels ou on met à votre disposition des matériels. Il y a les deux volets dans certains pays. Et je vous donne la, je, je suis en train de vous expliquer qu'en France, en dehors de l'appui direct financier, il y a l'appui indirect qui consiste à créer des facilités pour les journalistes. Nous, on a voulu le faire euh, en son temps en créant la carte de presse et les avantages qui y va avec, facilité d'accès euh, aux documents. effectivement, dans la pratique euh, qui n'est pas du tout facile. Mais ailleurs, il y a des facilités dans le transport, il, est il y a des facilités au niveau des services, certains services administratif de l'État, ça permet à l'entreprise, puisque la particularité de l'entreprise de presse, ce n'est pas une boutique où celui qui l'a créé, il gère son budget à partir de ses déshydratats, il peut fermer, ne pas sortir. Mais vous, lorsque vous créez un média, il, vous, vous obéissez à deux principes cardinaux de la vie en société. Il y a le droit du public à l'information. Voilà, il y a votre volonté d'avoir une entreprise et peut-être d'employer des, travailleurs, mais il y a les services publics que vous êtes obligé d'assurer. À partir de, ce moment, de, la création d'un média, vous êtes porteur de la culture nationale. Eh bien, voilà, la première étape a été faite, celle de création d'entreprises. Mais la difficulté, c'était maintenant transformer ces organes-là en des véritables entreprises de presse. Et c'est ce qui n'a pas suivi. Et c'est ce travail-là, je pense qu'il faut faire. Les associations, à un certain moment, il y a quelques années, la maison de la presse a déjà posé ce débat-là lorsqu'ils ont commencé à, à, former les journalistes dans le comportement de l'entreprise, c'est-à-dire toute la chaîne, le gestionnaire, le secrétaire de rédaction, les techniciens, les metteurs en page et autres, ont commencé à suivre des formations organisé par la maison de la presse, ça veut dire que déjà on sent le souci d'aller au-delà de ce, de ce cadre, de ce média qui a vocation de la liberté d'expression, mais d'aller vers une entreprise sérieuse. Et la difficulté que nous avons, quand vous regardez au Niger, on a la première difficulté, elle est l'environnement économique d'abord. C'était à un certain moment législatif, et il y a un point de législatif, nous allons le voir sur la, la loi sur la publicité qui est, qui est aujourd'hui euh, sous les labels du décret sur la publicité qui organise, peut-être on va y revenir. Maman Diallo, sans vous couper, comment garantir une presse écrite indépendante et de qualité au Niger quand euh, certains citoyens s'adonnent à cœur joie au partage des journaux sur les réseaux sociaux au lieu de les acheter Oui, c'est ça la difficulté. J'ai parlais de l'environnement, euh, j'allais vous, aborder ça. Le, le consommateur nigérien même n'est pas euh, il est particulier dans, ça, dans son rapport avec les productions médias. Vous allez voir ailleurs, tout autour de nous, un lecteur, un journal. Mais au Niger, c'est peut-être un, euh, un, journal dit lecteur. Parce qu'on a cette sociabilité de euh, ce qui t'appartient m'appartient, je peux utiliser ton bien, tu peux utiliser le mien, et ça a une conséquence plus ou moins négative cette fois-ci, de point de vue économique, de la rentabilité, des, entreprises. Des, entreprises. de presse. Sans parler du caractère même euh, du consommateur nigérien qu'il faut le moins peut-être euh, alphabétiser alphabétisé dans la logique de la consommation de production média. Ailleurs, vous pouvez voir euh, les niveaux d'éducation de la société. L'éducation, si vous voulez l'appeler occidentale, a atteint un niveau supérieur où vous pouvez trouver même, même dans une petite localité, vous pouvez avoir des gens qui lisent les Mais aujourd'hui, au Niger, la particularité, c'est que même si on peut le dire la même chose ailleurs, ils sont plus portés vers le dieu visuel que vers la presse écrite, par exemple, et, maintenant avec la, la presse électronique. Ibrahim Diallo, euh, selon plusieurs acteurs du domaine, l'amélioration des conditions de vie des journalistes passe nécessairement par la signature de la convention collective interprofessionnelle des médias. Où en sommes-nous avec euh, cette convention euh, Ça a été toujours le vœu de toute la corporation. Pourquoi Parce que, si vous voulez, c'est même la colonne vertébrale de, de tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, tant que les journalistes que les agents chargés de passer l'information ne sont pas mis dans des conditions idoines de travail, eh bien, tout ce qui va se passer va être vraiment biaisé. Je vous explique une chose. Comment vous pouvez demander, par exemple, à un journaliste, à un de vos agents, d'aller sur le terrain D'abord, vous ne lui donnez pas les moyens d'aller sur ce terrain. Vous le laissez, c'est-à-dire vous le jetez en pâture dans la rue. Il faut qu'il fasse de, lauto l'autostop par-ci, euh, par-là pour, aller pour, pour, se rendre sur un lieu de, de, couverture. Et vous attendez de ce journaliste qui revient avec une interview qui va passer dans le journal à telle heure. Donc, il est obligé de, de, faire tout ce qu'il peut pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir l'auditoire qui, qui, va l'écouter à telle heure précise. mais ben, vous voyez, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Et c'est là où quand on dit qu'il faut mettre ces, gens dans des conditions idoines de travail, les, certains promoteurs ne trouvent pas cela bien parce qu'ils pensent que non, c'est trop leur demander. C'est vrai, c'est trop leur demander. Mais si nous acceptons tous en tant que promoteurs d'aller vers une euh, c'est-à-dire entreprise euh, euh, de presse digne de ce nom, je vous assure qu'on peut gagner en bonus beaucoup de choses. Mais malheureusement, eux, les politiques et les promoteurs n'encourage pas cette dynamique vers cette euh, convention. Je ne sais pas pourquoi cette convention tarde encore, mais il est grand temps parce qu'il y va, si vous voulez, de, l'honneur des familles. Parce que ces gens, ce sont des pères et des mères de famille. Oh, Ibrahim Mazoudiallo, Ibrahim vous n'avez pas cherché à savoir où ça bloque Moi, je suis à région euh, Mokhtar et ça, a toujours été comme ça, c'est-à-dire on, on nous remet toujours cela, c'est-à-dire au lendemain. On nous dit toujours ça va venir c'est comme, c'est comme si vous voulez, je vais un peu paraphraser euh, De Gaulle quand il promettait l'indépendance aux Algériens. Il a dit euh, l'indépendance de l'Algérie se dessine à l'horizon. Or, l'horizon, c'est une ligne qui, s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'elle. C'est cela, malheureusement. C'est ce qui se passe actuellement. On nous a toujours chanté que ça va venir, ça va venir. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque et comment déverrouiller ce blocage. Mokhtar. Ibrahim Manzo comment faire euh, pour que les entreprises de presse soient viables Mokhtar, je vais vous dire une chose, il faut que les, entrepreneurs, il faut que les journalistes qui ont créé des organes, qui ont créé des, entreprises de presse, se disent une chose, ouvrir l'horizon, c'est-à-dire ne pas rester toujours à attendre que l'État leur fasse quelque chose ou ils, ils, vont créer, ils peuvent être, il faut qu'ils soient ingénieux, créer des modèles propres à eux, qui peuvent faire école ailleurs. Mais malheureusement, euh, si vous voyez euh, tout ce qui se passe au Niger, nous attendons toujours l'aide de l'État. Nous attendons toujours l'aide de l'État pour autant regarder ce que nous-mêmes nous avons craigné. Euh, créé. C'est-à-dire, on a bandé euh, des blessures qui ne sont pas totalement cicatrisées. cest nos propres erreurs, nous les bandons, nous cherchons à jeter l'anathème, à jeter la pierre sur l'autre. Mais il faut, il faut que les entrepreneurs de presse que nous sommes se disent une chose. Cette entreprise, elle n'est pas faite seulement pour moi, elle est faite pour la communauté. Elle doit engager une dynamique, c'est celle de faire travailler euh, euh, des gens dans la défense possible. Nous, par exemple, à Irinfo, Mokhtar, nous faisons tout pour nouer des partenariats ailleurs. Et Dieu merci, je vous assure, ces partenariats avec euh, des entreprises de presse, avec des organisations socioprofessionnelles qui défendent la liberté de presse, qui appuient la liberté de presse, je vous assure que nous faisons face à ce qui est matériel de travail et même à ce qui est, si vous voulez, des innovations dans le domaine. C'est à cela que j'invite mes, confrères, mes consoeurs qui ont des, organes de presse, il faut qu'ils prospectent d'autres terrains. Il ne faut pas se limiter seulement au Niger, il faut aller au-delà, sans pour autant prostituer sa ligne éditoriale. Ça, vraiment, c'est mieux de le faire. C'est un avis qui est encore Ibrahim Mazogallo, avez-vous aujourd'hui le sentiment que la presse nigérienne se professionnalise ou non oui, franchement, je le dis, euh, franchement, quand je vois certains titres, je suis très heureux, je suis très content. Je me dis, franchement, euh, par rapport aux années passées, on sent qu'il y a du professionnalisme. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne font pas qu'on respecte les journalistes. Et, ça, avec le temps, avec l'épreuve du temps, je vous assure, ils vont tomber. Les masques vont tomber. Les vrais journalistes, ceux qui sont souciés de leur travail, vont émerger et vont rester eh, sur la liste. Mais tout ce qui est, eh, c'est-à-dire détritus de la profession, euh, eh, vont tomber. Je suis sûr. Il faut seulement un peu de courage, un peu d'abnégation, un peu de résilience, Mokhtar. en août dernier, l'ONIMED a déploré des violations répétées du code d'éthique et de déontologie des, journalistes professionnels après un monitoring couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2019. La malgouvernance dans le secteur pourrait-elle expliquer, selon vous, les manquements constatés dans votre monitoring oui, la malgouvernance, d'abord, euh, euh, une certaine légèreté, si on peut l'appeler, et l'imprudence dans euh, le respect des textes régissant le métier de la pratique du journalisme. On sait que la charte du journalisme professionnel du Niger nous donne tous les, euh, si vous voyez, toutes les garanties pour qu'un journaliste puisse faire bien son travail. Même dans les conditions les plus économiquement difficiles, il a quand même des substrats qui lui permet de faire une production, de, de, faire un reportage, de, de, donner un contenu qui ne puisse pas attenter, qui ne comporterait pas certains manquements, du moins flagrants. Donc je pense que il y a cet aspect de, de manque de rigueur. Parce que quand vous, on a jeté un regard sur le manquement, c'est vraiment euh, un manque de rigueur. Et ça, ça, ça Monzo Diallo a touché un aspect en disant que s'il y a des, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a une, une certaine un, certain schéma d'amélioration qui se dessine et qui donnera peut-être, euh, je reste optimiste, qui pouvait crédibiliser de plus la, la, la profession. Mais la malgouvernance y est aussi. J'ai commencé à vous dire que à la naissance du multipartisme. Il y a eu la diversité, le foisonnement des, des, organes, de presse. Mais ces organes de presse euh, euh, ne sont pas, véritablement, Manzo l'a dit, ne sont pas créés dans la logique d'entreprise. C'était un mouvement. C'était des organes. C'était voilà, des organes qui avaient vocation associative et qui, qui avaient à l'esprit la ligne éditoriale, la promotion de la liberté d'expression. Au départ, Ensuite, la liberté de la presse. Puisqu'il y a la démocratie, il faut accompagner euh, les forces vives et autres. Mais on est en train d'aller, d'assagir, comme on dit. On a dépassé le stade de, de, de, de mouvement de, de lutte, d'accompagnement de la liberté d'expression. On est dans la création d'entreprises et on est en train de prendre en charge des travailleurs. Et je pense que c'est cette imitation qu'il faut poser les débats nos entreprises, aujourd'hui, on peut les appeler, puisqu'il y a quelques-unes qui ont valeur d'entreprise de presse, donc je préférerais les appeler les entreprises de presse. Nos entreprises de presse doivent faire l'effort de créer un schéma d'entreprise dans la pratique. Qu'est-ce que j'aimerais je, je, dire par là Lorsque vous prenez, dans nos médias, on a l'impression que eh, tout est journalistique. Tout est journalistique sur la ligne. Mais non, il y a un volet, quand on dit entreprise, qui doit être géré par des spécialistes des questions de, de gestion de finances, de planification, et ça, de marketing. De management. Et, de management. Et ça, ce n'est pas aux journalistes de le faire. Vous, allez voir dans les grandes rédactions, dans les grandes, réactions, euh, dans les grandes entreprises, il y a même une sorte de conflit bien huilé, harmonisé entre la section managériale de l'entreprise qui vise à générer des ressources, à vous créer de, de revenus, vous les journalistes, au moment où vous vous focalisez sur le souci d'informer les citoyens. Et, aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma là au Niger. On a comme l'impression que donc, dès qu'on dit un groupe de presse, on a du, du premier, c'est-à-dire le patron, au dernier gradé de l'entreprise, on voit tous des journalistes et des journalistes assimilés. Alors que l'entreprise devrait comporter. Aujourd'hui, allez-y voir euh, dans nos entreprises, est-ce qu'on recrute en dehors du directeur de publication, de secrétaire de rédaction, par exemple pour la presse écrite et numérique, est-ce qu'on a recruté un gestionnaire en tant que tel C'est là où ça cause problème. Même dans certaines, euh, dans, dans l'audiovisuel, quand vous regardez, c'est quelqu'un de l'intérieur qu'on qu'on recrute. ou qu'on dégage pour dégage pour qu'il s'occupe des questions. Et là, c'est c'est pas possible. Le journaliste ne peut pas être le, au, four et à, au moulin. Au four et à moulin, le journaliste doit laisser la question. Il devrait avoir une section financière faite par des agents qualifiés qui sont censés créer, repenser la politique financière la, politique managériale de, de, l'entreprise. Il y a quelques entreprises qui l'ont, qui l'ont créé. J'ai beaucoup de respect quand je vois pour quelques, quelques entreprises. Peut-être on va revenir sur les perspectives, mais quand même, il faut que nos, nos, entreprises puissent évoluer. Et la question aussi, c'est la difficulté de l'entreprise en tant que bien commun. Comme nous nous aimons dire que nous faisons du service public. Eh bien, lorsque nous créons une entreprise, il faut que nous acceptions qu'elle soit la propriété aussi de tous ceux qui, travaillent, qui, Qui, y travaillent. Alors qu'on constate que dans la gestion, généralement, bon, je ne reviens pas sur certains détails, sinon le, compte de l'entreprise est quelque part, comme disait un artiste, est, la poche du fondateur et c'est pas possible qu'on puisse aller vers une gestion. Ibrahim Manzo comment expliquer ce désir des différents pouvoirs de mieux contrôler les médias d'État et même ceux du indépendant Moi, je vais le dire, euh, c'est une maladie euh, tropicale, malheureusement. C'est ce qui se passe euh, chez nous, c'est-à-dire nous sommes devenus, malheureusement, des bénévoles de certains courants politiques. Mais il y a une chose, il y a beaucoup de gens qui refusent de baisser la tête qui refusent de donner, de prêter leur plume ou leur micro à des lobbies politiques pour juste enfoncer eh, des œuvres qui ne sont à rien du tout que du dilatoire. Je vous assure, j'ai beaucoup de respect pour ces, organes qui sont en train de refuser dignement de baisser eh, eh, les chines, de ployer le dos face à un chantage, il faut le dire, Beaucoup, beaucoup de ces politiciens savent que nos entreprises, nos, nos, organes de presse sont, sont, malheureusement faibles financièrement. Ils ne sont pas assis sur, euh, comme je l'ai dit, un substrat fort qui leur permet de résister. Alors, ils usent de cette corde et, tuent tirent de leur côté ces organes de presse. Il ne faut pas se leurrer au Niger, tout le monde sait que euh, les politiciens, qu'ils soient ceux de de, de ce régime ou ceux qui sont passés, ont toujours exercé un pouvoir financier sur les organes de presse. Je ne dis pas tous les organes de presse. Il y a certains qui sont dignes, qui refusent et qui préfèrent vraiment euh, euh, la pauvreté à l'insulte de, celui qui les suit. Mais tous ces, tous ces politiciens courent derrière les, les, les, les médias juste pour leur propre aura. C'est-à-dire, ils savent que les médias sont porteurs, ils sont des porte-voix. Donc, il faut aller vers ces médias, les financer malheureusement avec des miettes pour faire les roses, pour faire euh, donner l'information, une information erronée sur ce qu'il faut. Ce qu'il y a lieu de faire, malheureusement, il y a beaucoup qui tombent dans ce jeu. Il faut que les organes de presse se muent, comme je l'ai dit, en entreprise de presse. Il faut, comme l'a dit Jaharou, qu'on distingue le journaliste du financier. Il faut, comme le dit Jaharou, qu'on distingue le fondateur du directeur de publication et, et des autres journalistes. Il le faut parce que c'est ce qui fait que les policiers ont plusieurs appâts. S'ils n'ont pas le fondateur, ils auront le directeur de publication. S'ils n'ont pas le directeur de publication, ils auront le red chef et ainsi de suite. Vous voyez, si euh, l'entreprise est bien gérée, elle est structurée et elle fait euh, de la bonne information et de la bonne gestion, de la transparence ça boussole. Je vous assure, ces policiers vont s'aligner aussi et ils vont respecter les journalistes. Ibrahim Manzogallo, comment expliquer ce désintéressement particulièrement des femmes et euh, des jeunes instruits pour euh, la lecture de la presse au Niger mais quelqu'un qui ne, qui ne voit pas ce qui, qui lui plaît, comment il peut prendre un journal, un journal où du, de la première page jusqu'à la dernière page, c'est des, des, publicités maquillées. C'est-à-dire, nous, avons même perdu cette éthique de, rubriquer, c'est-à-dire de faire un rubriquage. Si euh, c'est un reportage financé, c'est-à-dire payé, nous mettons normalement public reportage. Mais nous sommes arrivés, malheureusement, les journaux, à refuser cela juste pour noyer les lecteurs. nous avons tendance à prendre nos lecteurs, permettez-moi le terme, pour des, euh, des cons qui ne comprennent rien du tout. Or, ces lecteurs, c'est des gens qui sont avertis, c'est des gens qui sont des intellectuels, et, nous les noyons dans une littérature qui n'a que pour seul but d'encenser quelqu'un ou d'encenser un parti politique ou d'encenser une action. Mais si nous étiquetons nos, rubriques, si nous sommes euh, francs nous-mêmes vis-à-vis de notre profession, en faisant la différence entre un, reportage, une enquête et un public reportage, je vous assure, ces lecteurs auront du respect pour nous. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe, Mortar? j'ai dit, ça me fait mal parce que quand vous voyagez, vous partez, par exemple, juste à côté, vous voyez des, journaux qui sont imprimés à 5 000, 7 000, 10 000 exemplaires et qui sont vendus. Mais au Niger, nous tirons 500 exemplaires, c'est à peine si nous vendons 100. Et pourquoi Il faut qu'on se fasse notre propre euh, pas. Il faut reconnaître que nous produisons du n'importe quoi. Nous produisons du dilatoire, nous produisons malheureusement des reportages qui ne sont pas dignes de chez nous. Et donc, c'est à nous de, de, de, de repenser cela, pas au lecteur. Le lecteur, c'est une tribune, c'est un miroir sur lequel on peut se regarder. Eh bien, l'image que reflètent nos propres actions, notre travail de journaliste, sur le miroir de nos lecteurs, eh bien, je vous assure, c'est une image flétrie qui n'a aucun sens qui ne nous euh, rend pas service. Alors, Ibrahim Mazogiallo, comment améliorer le contenu pour augmenter euh, l'audience et attirer plus d'annonceurs Il faut un travail fourni, un travail professionnel, un travail qui est, qui, est censé se départager d'une campagne électorale et d'un enseignement. Il faut qu'on sente à travers les toutes premières lignes du travail et euh, journalistique. C'est un travail qui a une importance, une plus-value pour notre euh, euh, lectorat. Tant que le, le, lecteur ne vont pas retrouver ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un travail très bien fait, eh bien, ils ne nous rendront jamais ce bon regard. Maman Diaharou, euh, l'accès à l'information dans l'administration reste toujours un défi malgré l'ordonnance de 2010 sur euh, cet aspect. Euh, c'est quoi le blocage Merci Mokhtar. Le blocage à ce niveau, je pense qu'il est, si on peut l'appeler mi-blocage, puisque déjà la, la, loi est là, l'accès à l'information aux documents administratifs. À un certain moment, nous nous sommes empêtrés dans, un, dans une sorte de blocage que par méconnaissance, de, du texte juridique en disant que nécessairement il nous faut euh, un décret d'application. Mais on a compris que le décret d'application, certes, vient préciser, détailler un certain nombre de, euh, une certaine compréhension de, de, de, la chose juridique, mais quand même, ça n'empêche pas le texte à, son euh, à l'état de qu'il soit effectif. Dans l'administration nigérienne, beaucoup de responsables ignorent même ces textes. Effectivement, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est à un certain moment, on a à un blocage par mes connaissances des textes que le, euh, un décret, je pense, ce n'est pas applicable. Mais on, s'est rendu compte que c'est un texte de loi applicable. Mais malheureusement, il n'y a pas une certaine vulgarisation, puisque c'est Vulgarisation ou popularisation même la vulgarisation, puisque c'est un texte de loi, on nous oppose chaque fois, et c'est là où j'ai dit que les juristes ne, doivent euh, repenser leur manière de faire en nous disant que nul n'est censé ignorer la loi. Peu et bien, on peut l'ignorer si on ne la connaît pas. Et c'est pas parce qu'un document a été pris, archivé, comme on dit au niveau des archives nationales, que le citoyen d'Ingal doit se plier à cette loi dont il ne connaît pas. Il faut que le langage évolue. Et c'est ce qui se passe pour euh, l'accès à l'information, pour ces documents-là, c'est parce qu'il n'est pas connu, vulgarisé au sein de l'administration. Beaucoup d'administrateurs ne savent pas ce que, ce que disent ces textes-là. À qui revient ce travail au gouvernement. C'est comme la loi sur la, la cybercriminalité. Elle a été votée dans un contexte d'urgence, dans un contexte de, euh, préoccupant pour l'État, mais il n'a pas mille les moyens pour la vulgariser. Aujourd'hui, si on est, si les, procureurs essayent d'appliquer ces textes-là, je pense que euh, chaque jour, le, tribunal sera plein de citoyens parce qu'ils ne connaissent pas ce que disent les, textes. sur la cybercriminalité. C'est la même chose sur l'accès aux, documents à l'université. Vous savez, la question de, respect de la, de la liberté de la presse, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai l'habitude de le dire même dans ce studio. En 2016, je pense, c'est 2016 ou 2017 quand quand le Ghana est premier en Afrique sur le respect de le classement des RSF, le Ghana a accueilli la journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai de, la même année, tout euh, organisé, co organisée avec l'UNESCO par respect à, à, leur rang, au travail qu'ils ont effectué, mais ils n'ont pas. Et c'est pendant cette, ces festivités-là qu'ils ont introduit ou rappelé au président euh, de la République ghanéenne qu'ils euh, attendent la loi sur l'accès aux documents l'accès à l'information aux documents administratifs. C'est pour vous dire que vous pouvez vous entourer de toutes les garanties juridiques en termes de textes. Lorsque les pratiques ne, vont pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner en matière de, respect de la liberté de la presse. C'est un comportement. Ce texte-là, c'est vrai, nous devrons poursuivre et le mettre en pratique. Lorsque une administration ne, ne le respecte pas, qu'on fasse tous les recours possibles pour leur, c'est pédagogique pour leur montrer que voilà comment vous devrez travailler. Mais on a une propension de la discrétion dans les services publics au Niger où on estime que de par certains déshydratats des fonctionnaires, tout est secret parce qu'on a peur de dévoiler nos, nos fautes, euh, nos petits travers. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à faire à, l'effectivité de ces textes-là. Mais je suis d'accord que en même temps qu'on fasse la vulgarisation et montrer qu'il n'y a pas que les journalistes. Ce n'est pas une loi qui concerne que les journalistes. C'est tous les citoyens. Lorsque j'ai besoin de constituer un dossier pour un avis d'appel, d'offre ou de candidature, je devrais aller vers l'administration publique et elle doit me donner toutes les informations nécessaires, euh, mettre à ma disposition toute l'information administrative dont j'ai besoin pour constituer mon dossier. Mais aujourd'hui, tout est secret. Vous partez pour demander euh, une information publique, c'est-à-dire un bilan d'exécution d'un projet il y a deux ans, trois ans dans une administration. On vous dit il faut vous remonter au ministre et le ministre ordonne et il faut aller maintenant qu'il faut que ça atteigne la région pour qu'un directeur régional puisse vous parler, par exemple, de quelque chose qui se passe autour du barrage de Kandaji. Ça ne peut pas aller dans dans une administration. Ibrahim Manzo quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour que la presse nigérienne retrouve ses lettres de noblesse Merci beaucoup. en fait, moi, je dirais, euh, euh, je vais répondre simplement sur ce qu'a dit euh, Jaharou. Je vous assure, il y a des choses qui se passent et qui ont besoin à ce que les journalistes, nous-mêmes, nous nous approprions, c'est-à-dire les textes réglementaires qui régissent notre profession d'abord, il faut que nous nous employions totalement, je vous dis totalement, de tout ce qui est texte juridique euh, et entrer à la, liberté des presse, à, l'exercice de, la fonction. Qu'est-ce qui se passe il y, a, il y, de plus en plus de lois qui sont votées. C'est vrai, ça passe par le Parlement. Mais moi, je vous le dis, qui sont nuitamment développées et soumises pour approbation à euh, l'Assemblée nationale. Eh bien, ces lois, ce sont des lois qui sont en train de grignoter minutieusement et je vous assure, de façon euh, sadique, les acquis de la liberté des personnes Avec le contexte insécuritaire actuel, il y a de plus en plus une propension à prendre euh, la liberté d'expression en otage. Juste au nom du tout sécuritaire, on aliène certains droits de, de la population à l'information. Eh bien, il tient à nous, journalistes d'abord, de connaître toutes les tortuosités de ces textes et de les connaître, de les assimiler pour pouvoir les contourner. Sinon, je vous assure, dans quelques temps, vous entendrez, vous entendrez des cyberactivistes qui vont être jetés en prison juste parce qu'ils ont donner une opinion. Yaharou, comment rectifier le tir rapidement en 10 secondes Oui, comment rectifier le, le tir Moi, je pense qu'il faut qu'on... Euh, euh, moi, j'ai dit la première garantie, pour les journalistes d'abord, la première garantie, c'est vrai, il faut qu'il y ait des entreprises viables. Et pour qu'il y ait des entreprises viables, il faut qu'il y ait qu'on réponse la gestion des entreprises, qu'on l'adapte à la réalité euh, économique. Qu'est-ce que l'État peut faire je suis d'avis avec il Diallo, faut pas tout reposer sur l'État. Nous sommes dans un contexte où l'État lui-même chercher des partenaires. <laughs> Eh bien, il faut que les, les, entreprises de presse, tout ce qu'on demande à l'État, c'est les garanties juridiques. Si les garanties juridiques euh, sont disponibles, je pense que pour ce qui est de l'économique, les entreprises peuvent créer la résilience elles-mêmes et créer d'autres outils. On voit dans les grands magistrats à, une rencontre où le patron de, New York Times disait qu'il n'a plus la vente. Et lui-même, il essaye de s'adapter à des, modèles innovants pour, euh, pour financer euh, les entreprises de presse. Eh bien, je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Il faut qu'on ait le courage et la capacité de repenser nos stratégies. Et, Monzo, dans sa pratique, a déjà, lui, euh, quelque chose à vendre aux autres, à ses confrères, pour dire que voilà comment il faut aller. Maintenant, sur la question, pour les, journalistes, c'est vrai, il faut qu'ils bousculent pour qu'il y ait cette convention collective. Elle n'y a pas, elle n'est pas que lourde pour les entreprises, mais il faut qu'on avance sur la convention collective et il faut qu'on s'asseye pour discuter, même s'il faut l'alléger, alléger la masse salariale qui est contenue dans le, de la convention collective qui est censée garantir l'indépendance, euh, ne serait-ce que financière, aux travailleurs des médias. Devant de tels résultats, la nécessité d'améliorer la qualité du contenu de la presse nigérienne pour permettre aux citoyens d'accéder à une information saine et crédible paraît une urgence absolue. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maman Gaharou, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias l'éthique et la déontologie au et au téléphone Ibrahim Mazogallo secrétaire général de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI, promoteur du journal Air Info et de la radio Sahara. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.